Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Oui, euh, bonjour, bonjour. Euh, à nos auditeurs de la Voix de l'Amérique. Ici Eugène Pewa Pelema de la Voix du, studio de la Voix de l'Amérique ici à Washington, qui est rejoint par Sedina Abagay qui se trouve actuellement à Dakar. Nous allons assister ce matin à la compétition qui oppose le pétrole Luanda euh, d'Angola à l'AS Police euh, euh du, Mali. Sera, sera un grand match euh, puisque nous savons que tous ces deux pays sont des pays où le basketball d'une certaine manière, est très pratiqué. On peut dire que le basketball est un peu le sport roi. Hein, c'est vrai que l'Afrique euh, euh, euh, souvent danse au, rythme du football, mais ces deux pays ont une histoire de basket qui est assez riche, que ce soit en féminin ou en, masculin. Les deux pays ont eu à gagner, du moins le Mali n'a peut-être pas gagné en homme la Coupe d'Afrique des Nations, mais elle est parmi les meilleures équipes dans l'histoire dans du basketball africain. Et donc on va s'attendre on s'attend à un euh, débat de basket d'un niveau très élevé, où on va trouver cette équipe de Luanda qui a une expérience importante, composée de joueurs qui sont uniquement venus du championnat euh, angolais, et en euh, face cette équipe du Mali qui, de même, se trouve dans cette situation à Sédina. que penses-tu de ce match d'aujourd'hui Et qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait arriver de l'indiquer, je pense que c'est une rencontre qui sera très relevée, notamment à cause euh, du niveau des deux équipes. Euh, dans l'avant-match, on a parlé un peu du pétrole de Luanda. Life Police également, c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, y compris le Sénégalais et ancien international Ibrahim Ottoman, qui a eu à être troisième à la CAN 2013, à participer à une Coupe du Monde. Donc, euh, ils ont choisi de faire un patch entre des joueurs très jeunes en tout cas assez jeunes et des joueurs d'expérience qui ne sont pas trop âgés et qui ont une expérience internationale avérée et qui peuvent créer de l'impact surtout, surtout au niveau de la raquette euh, avec Ibrahim Ottoman que j'ai cité récemment qui a été également en NBA G-League, ce qui montre que ce match sera assez relevé quand même face à une équipe angolaise qui, on l'a dit tantôt, a misé sur les locaux euh, pour faire la différence dans cette ligue. Tout à fait. En tout cas, je suis euh, convaincu euh, que nous assisterons à une belle partie de basketball qui, où il y aura de la résistance des deux côtés. Et comme d'habitude, euh, c'est probablement au niveau du troisième carton qu'on va commencer à voir l'équipe qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Et donc la confirmation sera pendant le dernier quart temps On voit l'équipe, euh, les joueurs de, on voit Hannibal Morera d'ailleurs qui est là, euh, en train de taper dans les mains et les dos de, de, des joueurs qui vont rentrer sur le terrain de l'équipe euh, du Petro Luanda. Euh, Hannibal Morera qui a été un multiple champion euh, d'Afrique avec euh, l'Angola et le Pumero de Agosto, euh, une équipe mythique aussi d'Angola, Sedina. Oui, on se rend compte qu'au-delà d'une bonne sélection au niveau des joueurs, il y a également un tri qui a été fait au niveau de l'encadrement pour permettre à ces joueurs-là d'avoir autour d'eux un environnement favorable pour être performants. Donc rien ne devrait nous priver d'un match très relevé. Tout à fait. Et on peut voir que dans ce cinq enjeux on n'a pas les noms ici, mais dans le 5 en jeu angolais, je peux reconnaître euh, de nombreux joueurs qui évoluent en équipe nationale, euh, dont Morera qu'on est en train de voir actuellement. Euh, mais on voit cette équipe, belle équipe du Mali, avec des beaux gabarits, je suis, convaincu des, combattants parce que les Maliens ont toujours été, ont eu toujours un basketball euh, euh, où ça court et on va voir aujourd'hui s'ils euh, se mettent à jouer de cette même manière. Donc on va quitter là, on va suivre maintenant le match en direct. Euh, on se retrouve probablement pendant les temps morts hein, et, en fin de carton. le début de la rencontre avec ce premier ballon pour l'AS Police. C'est un premier tir, un tout petit peu court cette fois. Le tir d'Ibrahima euh, Thomas. La remontée de balle avec Schilde euh, Childe Dundao. Gonçalves Dundao Gonsalves. Ah, il a eu presque envie de le prendre à l'extérieur. Euh, il va ressortir ce ballon avec ce petit tir au, périmètre, là encore un petit peu court. Le ballon qui est sorti le temps pour moi de vous citer euh, les arbitres de la rencontre à boulot amer. Didier Gaga et Opeyemi Okumyele. Euh, la feinte et, la faute sifflée contre euh, Josh Enzicor et on sent directement la, qualité de l'exécution. On a eu une première attaque en mi terrain on a tourné, on a joué en jeu à 3 et même la rentrée, on voit que ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble parce qu'on est bien préparé, vous voyez la communication. Et le ballon toujours pour euh, Luanda avec la petite passe aveugle et un premier tir qui rentre enfin avec le plexi s'il vous plaît. Il est signé Vander der Oh. Oui, la jolie feinte. Oh, dommage. gros geste technique, l'a là, Brahima Thomas. Euh, le petit, euh, le petit step back, là, pour tenter euh, le 3 points, le ballon tranquillement dans les mains de Enzicor. Et eh, qui dit, Josh Enzicor, qui dit à ses partenaires, non, non, allez-y, <laughs> je vais m'en occuper. Oui, exactement, je vais m'en occuper ça, c'est l'expérience de Maurice. On va quand même le rappeler, Maurice c'est une légende, non seulement en Angola, mais aussi sur tout le continent africain. Il avait eu un contrat avec d'ailleurs avec les Raptors, je me rappelle, j'avais scarté d'ailleurs en 2013. Et il va apporter, du de ses 35 ans, énormément à cette équipe. Et regardez le Oh, oh passe Quelle passe oh, superbe Elle est magnifique Signé Joné Pedro. Il faut absolument que la SPI se méfie ici. Si les Anglais commencent à courir, il faut revenir en défense. Il ne faut pas leur permettre de courir. Ils veulent pas courir d'ailleurs, mais il ne faut pas leur donner ces, easy to, comme on peut le dire, euh, facile en 3 contre 2. Et un break d'entrée en faveur de Luanda avec ce, ce 7-0. Première série, série en cours en faveur de Pedro de Luanda, alors qu'on va revoir euh, cette dernière passe, cette petite passe de poche. Voilà. Elle, est, elle est superbe. la patience, la patience. Et encore euh, un bon ballon avec la faute. magnifique. Hein, c'est vraiment un petit, euh, un petit un petit distributeur de poche, moins d'un mètre 80. Il est capable de pousser le ballon, de terminer à l'intérieur, mais aussi de jouer avec ses coéquipiers. J'aime bien quand vous dites moins d'un mètre 80, vous avez raison. Hein. Un mètre 70 avec les chaussures, hein, je pense. <laughs> je suis gentil avec lui. On va revoir l'action au ralenti. regardez, il ouvre, il ouvre, il crée l'espace, il amène en fait le, défenseur, le big man euh, avec lui et il fait la passe directement en équipe, c'est du pur 2 contre 2. Et il n'y aura pas de, de lancer bonus, pas de N1 pour l'instant, mais la série est en cours, 9-0 désormais en faveur de, de, Luanda. Il va falloir trouver une oh. solution, la voilà la solution, avec euh, Ibrahima Thomas. C'est bien, ils ont ouvert le score, ils vont pouvoir se décontracter, ils ont besoin de quelques paniers. Ils viennent de, de rentrer dans la, dans la, compétition. Voilà, il faut des stops aussi. Aïe, aïe, aïe, aïe, Il faut des eh, stops. C'est le plus petit qui ah vient capter le rebond au milieu. Je dit qu'il était électrique ou pas. Il est électrique, ce petit-là. Allez, nouvelle tentative, ça sera. Ouais, c'est annoncé à 3 points. Moi, je vous dis qu'il avait le pied sur la ligne, je le vois ici. <laughs> Mais j'étais mieux placé que, le reste. Ah, vous êtes arrivé avec du fleur ce soir. <laughs> Keita. Voilà, on Keita. Allez, la tentative à 3 points, c'est un petit peu long. Pas trop de réussite au tir pour l'instant pour, euh, pour la S-Police, mais espérons pour eux que ça va changer. Et encore euh, le feu follet Là, c'est instoppable. Il split entre guillemets la défense et vous avez vu, on va pouvoir j'espère. Alors on va, il split les défenseurs et il manque une dernière couverture défensive, une dernière rotation. Et là, il y a du basket, Jacques. Ben, on l'a dit. Hein. Ben, aujourd'hui, dans ce match entre euh, qui, entre l'AS Police et le Petro de Luanda, le Petro de Luanda a commencé à euh, toute vitesse. Le score est de 14 à 2. Euh, mais nous invitons les auditeurs de la Voix de l'Amérique à suivre euh, ce match à Bangui sur la, sur la bande 101.7, Brazzaville, Kinshasa 104.3, Matadi, Mbouji, Maï et Kananga 93.5, Pointe-Noire 98.3, Njamena 93.1, Dakar 102, Lumumbashi 102.8, Bukavu 97.4, Goma 96.2, Kisangani 97.7, Abidjan 99, Ouagadougou 102.4, Niamey 102.5 et Lomé 102.3. Mais pour le moment, on assiste à une nette domination et une très grande adresse de l'équipe du Pétro de Luanda sur euh, l'AS Police, euh, forçant l'équipe de, police à prendre un temps mort pour faire des ajustements, pour arrêter l'hémorragie, parce que si le match continue de la sorte, euh, ils risquent de prendre de l'eau très rapidement. Euh, leur défense pour le moment ne fait pas un très bon boulot. L'équipe angolaise arrive à, percer et, à jouer son jeu à 100% et le taux de réussite est très élevé pour le moment. Nous reprenons le match. Oui, de l'Angola, on a exactement ce qu'il faut à la, à la distribution. Absolument. Allez, le ballon pour l'AS Police avec euh, Mamadou Keita. Le drive dans la peinture, c'est difficile. Keita, il était dos au cercle, il a tenté euh, un petit un petit reverse avec le plexi là, hein, mais euh, mais il monte en agressivité. Il veut aller à l'anneau, il veut créer des fautes. C'est une bonne idée. voyez, il essaye d'aller chercher le contact, malheureusement à rien près. Mais voilà, il y a une présence, il y a une présence sur le terrain. Le ballon toujours pour la S Police avec ce tir à trois points en première intention là, catch and shoot, mais c'est encore un petit peu trop court. Il va falloir essayer de régler la mire aussi sur sur les tirs parce que on n'est pas loin, encore un tout petit peu trop loin. Je suis tout à fait d'accord. Et belle réponse de la Espoir. Vous voyez là, on met la pression. Oui, oui, on vient faire un pressing très, voilà. Regardez, tout terrain. Exactement. Juste un peu mettre un petit peu de pression. C'est pas, c'est pas Childé qui a le ballon qui le remonte. Donc là, on va d'ailleurs avoir une autre, une autre réaction. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va commencer à, changer le jeu grâce à notre défense. Tundao avec euh, Gerson Gonsalves. Ah, ils sont patients. Oui, oui, ils sont, ils sont ah plus agressifs forcément, c'est bien. Peut-être plongé, voilà, c'est fait. C'est ça dont on attend de la S-Police. Eh, il a hésité, ce qu'il je prends le tir ou pas Il le prend finalement. Ça c'est bien trouvé. C'est ce qu'on attendait d'un retour de temps mort. Hein. Exactement, exactement. On rentre sur le terrain avec la défense et surtout avec de l'énergie. Mamatou Keta qui vient de, de scorer là pour, euh, pour les Maliens de la S-Police. Ah, il, est, dessus là, hein, Mamadou il sait qu'il tient, <laughs> il tient Moraïs. Maurice, euh, ça s'est manqué. Oh le box out, le box out, vous il faut se faire plaisir, boxer, il faut mettre un corps à chaque fois que quelqu'un veut aller en bon. L'écran retard. Et la faute là sur le début du, drive. on l'a eu au sol. On a eu juste en début d'action pour va pouvoir le ralentir Quand il baisse l'épaule, boum, là, vous l'avez eu. Et là, oui, effectivement, Mamadou Keita, il avait les deux mains sur son, sur son attaquant. C'est effectivement une faute. Alors que vous apercevez euh, José Neto, le coach brésilien de Petro de Luanda, un coach qui a un très très gros CV, on aura peut-être l'occasion de vous en parler, qui a notamment coaché l'équipe féminine nationale do Brésil on va pousser. Allez, on pousse, on pousse, ah on, pousse on pousse, le drive. Ah, dommage, l'exécution, c'est pas terminé peut-être. Si ce ballon qui est finalement capté par Gerson Gonsalves. Gonsalves qui met beaucoup de rythme, qui remonte ce ballon, mais bon repli défensif d'AS Police. À trois points peut-être. Ah, ah Big man, big man in the house. Vander Joachim, de nouveau c'est le troisième, c'est le troisième, le premier avec la planche. Il vient de nous faire un, petit, un petit 3 euh, d'affilée là. Allez 3 sur 3, il est à 9 points, 17-4 plus, euh, plus 13 désormais pour Petro de Luanda. Alors, j'ai envie de vous dire Jacques, ça va toujours très bien pour Luanda. Et ça va un petit peu mieux pour la S Police parce qu'il y a plus d'agressivité défensive, parce qu'il y, a plus de, volonté d'aller vers le cercle. Et ça commence avec le temps mort, très bon moment. Regardez Ibrahima Thomas. Il est actif dans la raquette. Mais ah ben, effectivement, vous avez un scoreur qui, qui est dans un bon jour. Qu'est-ce qu'il faut faire L'attaquer et le mettre en problème de faute. Ça va le fatiguer, mais aussi peut-être qu'il va aller retrouver le banc plus rapidement qu'il ne le pensait. Bonne réponse de la S Police. Des rentrées de Milo Mitchell côté euh, s Police. C'est lui qui a le ballon, le numéro 2, Milo Mitchell. le seul américain, entre guillemets, ah, oh, oh, c'est un peu sévère ça. Ah, c'est dans la, bonne philosophie. C'est ce qu'il faut faire, agressif dans la raquette. Ibrahim Ibrahima, il est jeune, hein. il sait jouer au basket. Il, va, vous, le démontrer. Il à trois points aussi, mais là, il a bien raison de se concentrer dans la raquette. Le ballon pour euh, Luanda avec euh, Morais C'est sur cet écran-là. C'est sur cet écran-là que Dao, défense. Euh, côté opposé il, a, il a envie de shooter à trois points, c'est fait, c'est court. La tentative de Carlos Moraes, il regardait la ligne en disant il faut que je recule un petit pas, je veux le prendre celui-là. Le ballon toujours euh, pour euh, Luanda. Le drive cette fois, ah, euh, agressif de Gerson Gonçalves. il joue bien, il n'y a, rien à dire, on va le voir, regardez le drive, il est hyper agressif. Alors attention à la qui encore une fois, il y a un manquement dans l'aide Bézin, mais voilà, Petro de Luanda pour l'instant, il joue le basket qu'on attend, il contrôle le match, il joue Moraïs a le ballon quand il en a besoin. Et il y a la grosse différence. On a 17 à 4 là. Il faut quand même attention. 13. C'est vrai que euh, on se souvient, si vous nous rejoignez simplement maintenant, que, que Luanda a attaqué avec une série, un, 9-0 qui a forcément euh, mis les joueurs de Petro Luanda, les joueurs de, José Neto dans, une bonne situation et nouveau temps mort demandé. ben le match euh, continue son cours de chemin et à 4 minutes et 49 secondes de la fin de ce premier carton, le Petro de Luanda domine le débat dans ce match. On peut, ça peut se voir par toutes les statistiques. On voit de pétrole avec 63% de réussite euh, en tir, dont 4 sur 5 à 2 points, donc 80%, et 3 sur 6 à, à 3 points, 50%, alors que le Mali est à 25% de réussite, 2 tirs sur 8, euh, 2 sur 5 à 2 points, 0 sur 3 à 3 points. Et on peut voir que au niveau des rebonds, il en est de même. Le Petro, on en a neuf contre euh, deux pour la police. Et ce qui donne la possibilité à cette équipe de, de, de Luanda d'avoir des secondes chances. Donc, euh, actuellement, à ce niveau du match, hein, il est nécessaire que le club euh, de S Police puisse faire des ajustements. Euh, pour qu'en défense, ils puissent euh, faire des arrêts, comme on dit au basketball, pour ne pas permettre à leur adversaire euh, de prendre de large, et ce qui risque de décourager quelquefois sur le plan psychologique leur équipe. Et ils, doivent essayer de recoller avant la fin de ce carton ou du moins réduire la marque de telle manière à ce qu'on n'ait pas ce, ce double digit, comme on dit, double digit en anglais, euh, où on a euh, plus de 10 points d'écart entre les deux équipes puisqu'il s'agit de 13 points actuellement. Donc nous revenons en direct sur le match. Des projets qui contribuent tous à l'éducation, à la santé, au lien social et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ensemble, faisons vivre ces projets qui changent la vie. Retrouvons-nous sur sportencommun.org. De retour euh, en direct depuis la Kigali Arena, le ballon et le jeu qui reprend à l'instant avec le ballon toujours pour euh, Petro de Luanda qui mène 17-4 et une nouvelle tentative. Cette fois c'est manqué de peu les rebonds et avec le petit blank shot là, signé Johnny Pedro encore. Il faut continuer à y croire du côté de la Spice, on en parle beaucoup. Le rebond, là on sent qu'ils vont commencer à, à, se positionner, mais il faut vraiment aller chercher peut-être même en dehors de la raquette pour les empêcher en fait de se retrouver dans les airs trop rapidement. 4 points pour euh, Jeunet Pedro désormais et le ballon euh, pour la Espolis. Attention aux pertes de balles. Et là, la contre-attaque à 2 contre 2 mais c'est un marché qui est sifflé. il Faut dire que ça arrive souvent dans ces situations, il a hésité. Et quand on hésite, eh ben, on, le voit. En fait, il, était dans la réaction. j'attends <laughs> Il était dans le jeu d'équipe, il, pensait que son coéquipier était déjà ouvert. On le voit qu'il est plus concentré sur l'anneau. Bon, voilà, une petite paire de balles du côté de, de Petro. Allez, le ballon pour la S-Police avec euh, Milo Mitchell et la tentative, euh, pas payé encore euh, Gamel pour euh, Ibrahima Aïdara. Ah, ils sont sereins, hein. ils sont sereins là pour l'instant. Hein. contre le rebond des deux côtés du terrain. Regardez comment ça coupe Moraïs. Oh, Dundao, bien sûr, qui va très bien fonctionner en pick and Oh là là, il vient d'en brûler un là sur un premier pas. Allez, la, la bataille pour le ballon, ça y est, bien capté par la S-Police. Avec une opportunité de développer avant que la, défense soit positionnée. Michel Mitchell, ouais, c'est compliqué. Il est allé euh, défier la défense dans le trafic. Milo Mitchell, mais il y avait, y avait beaucoup de bras, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et regardez comment on, joue. Euh, en première intention, c'est assez fluide hein, pour l'instant côté euh, Petro Luanda. Ah, ils, essayent, hein, la Police, mais il y a vraiment des centimètres dans la raquette pour l'instant qui jouent en différence. Oh, regardez. Ça c'est bien je joué. Vous parler de centimètres. Vous avez vu la, clairvoyance, le QI basket. Il était faire ce voilà. drop shot à la Tony Parker. À la Tony Parker. Un peu, un petit, un mini rainbow. exactement. Exactement. Ici, c'est le pays des mille collines, hein. pas des, arcs en mais il doit y en avoir aussi. Voilà, première pénétration jusqu'à la raquette. C'est important de comprendre, en fait, euh, Petro de Luanda, une équipe solide, mais ils n'ont plus ce côté athlétique dans la raquette. Ouf, attends, euh, je suis un petit peu euh, surtout. Et donc, quand vous pénétrez, vous pouvez y aller. Ils vont pas tenter de contrôler le ballon au-dessus de la l'anneau, mais par contre, ils vont essayer de se positionner avant c'est euh, Papa Tandina qui prend la faute. C'est lui qui vient de mettre euh, ce petit bank shot là, alors que vous apercevez euh, Boubacar Kanouté, le coach de, la s Police, qui est aussi le coach assistant de l'équipe nationale du, du Mali. Son assistant ici c'est Kamba Kanté, et on va retrouver sur la ligne le numéro 33, celui de Carlos Moraes, quasiment, oui, très certainement la plus grosse carrière de, cette équipe, parce qu'il a quasiment tout gagné. champion du, du, Portugal en 2017, il était All-Star deux fois du championnat portugais en 2017-2018, champion de l'Angola en 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019, 2021. Euh, vainqueur de l'Afro à quatre reprises, vainqueur de, <laughs> des clubs champions aussi. Ah, vous n'aurez pas assez de temps pour, non. donner tout son CV. Moi, je, je vais arrêter. <laughs> Il était à la Coupe du Monde en 2019. Il était aussi aux Jeux Olympiques en 2008. Alors, je vais donner une petite histoire, ce moment-là, c'est que on a essayé de le faire sortir d'Afrique. On a tenté, mais <laughs> il n'en voulait pas. Il lui, il était bien en Angola. Ouais, il était bien en Angola. Et il a bien raison parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle sur le continent. ça c'est un petit peu euh, forcé ce tir d'Eladj euh, Ascofaré. Euh, le ballon de nouveau pour Preto Petro Luanda avec euh, Morais justement. qui va jouer rond, ça veut dire qu'on va avoir maintenant deux big men qui sont sortis. Maurice, 35 ans maintenant et encore Ah oui, ça c'est du lait hein, Oui, oui, oui, oui, C'est doux à voir, c'est agréable. Vous avez vu cette sérénité, cette patience de Morais. C'est du lait avec du lait chaud avec du miel. <laughs> Et encore un ballon. Euh, la combativité aussi défensive, la pression défensive initiée sur cette action par euh, C'est, euh, Vous voyez, il, est dans les mains de Milo et il plonge directement sur le ballon. 25-6, attention parce qu'il reste euh, moins de 2 minutes à jouer dans ce premier carton, mais le premier écart est vraiment fait. Là, on peut dire que Pedro de Luanda a, a la main mise pour l'instant pour l'instant sur le match. Oui, c'est la SPI souffre des fautes au compteur, c'est-à-dire à chaque fois maintenant qu'ils font une erreur défensive, ils risquent de le payer avec des lancers francs. Ils ont eu quelques pénétrations, mais pas suffisamment pour prendre un rythme certain. Ce que j'aime bien, c'est que le coach a déjà commencé à faire ses changements, c'est-à-dire que les joueurs non sur le terrain vont pouvoir jouer le ballon. Ils sont sûrement en train de chercher en fait le joueur qui va pouvoir réellement les ramener dans le match. Euh, la S Police avec euh, Aïdara. Euh, à l'opposé, mais c'est statique là, il n'y a, pas de solution. Il était en hésitation, malheureusement pour lui, il n'y a pas eu d'opportunité. Gerson Domingos qui est entré sur le parquet. Alors on, est rentré dans les deux dernières minutes de ce premier carton et encore un tir de prix mais à l'opposé. Bon rebond À ah, capté par il faut pousser, il faut pousser. Michel. Michel. Ah, cherchait l'extra passe, Michel, alors qu'il était sous le cercle. petite séquence Oura basketball là. Allez, le L'énorme défense Première fois bah, il se bat, il se bat Oui, oui, oui. Allez, Milo. Ah, voilà, voilà, c'est fait. Pour euh, Milo Mitchell et qui peut être une réelle menace derrière les trois points. J'aime bien, il n'a pas commencé sur le terrain. Ça permet en fait d'avoir une rotation intéressante qui sort du banc. C'est quelqu'un qui jette à trois points au-dessus de 40%, donc vous pouvez vous attendre qu'il en mette plusieurs ce soir. On en parlait, on en parlait. On a un problème de faute, donc à chaque fois maintenant qu'on fait une erreur, on va le payer. Et je peux vous dire, quand vous avez des vieux baroudeurs de plus de 30 ans qui se retrouvent dans ces francs, ils vont rarement rater. La faute sur euh, Ryan Richard Né à Chatham, en Angleterre, Ryan Richards. Champion d'Autriche en 2013. Drafté euh, en 49e, position en 2010 par San Antonio, une équipe que vous connaissez bien. Oui, exactement. Et c'était un prospect très très intéressant. Il a, maintenant il est quelques années derrière tout ça. Il est passé aussi par la Belgique d'ailleurs. C'est un numéro 4 et numéro 5 qui sait s'exprimer autant derrière les trois points qu'au jeu de Halo. Ah oui, là, il y a petit petit, petit. Alors, ce serait sympa de revoir ça par contre. Et c'est toujours la situation entre ce qu'on permet en NBA et ce qu'on permet en FIBA, avec le fameux pas de séparation. Oui. Et c'est Papa Tandina qui a été euh, sanctionné là sur ce coup de sifflet. On est rentré dans les, les 40 dernières secondes de ce premier carton. Le ballon pour Benke Yarouma euh, Yaruma Bonne défense, bonne défense. Ils vont chercher autre part. bon, mouvement du, ballon. Ils ont été chercher à l'intérieur où ça passait bien avec Ryan. Dans le corner, il est tout seul, mais euh, c'est manqué cette fois. Mais le long rebond offensif, toujours pour euh, Petro de Luanda, avec Maurice toujours. Quelle agressivité. Ouais, défendu là. Ah bonne défense. Il, vraiment, il a poussé Moraïs. Papa Tandina qui, se livre à 100%. Il fait partie, il fait partie de ce groupe de jeunes joueurs à l'AS qui est capable justement de mettre ce coup d'électricité, de pousser. Regardez là physique, c'est pas une faute, c'est quand l'arbitre l'appelle, si l'arbitre n'a pas appelé, c'est qu'il n'y a pas de faute. Mais là, ils sont en train de mettre un petit peu plus de, en train de serrer un petit peu sur, sur Moraïs, C'est équipe de Petro, justement pour faire la différence. Milo Michel, bien gêné dans sa remontée de balle et là, petit manque euh, d'attention. Nous sommes à la fin du premier carton entre Petro Luanda et Les Police ici au Kigali Arena. Euh, Sedina, on voit une nette domination de l'équipe euh, de Luanda sur celle euh, de l'AS Police à, tous les niveaux de, ce match-là, que ce soit en tir, que ce soit en rebond, que ce soit dans les passes, les vols de balles. En tout cas, Luanda, le Petro Luanda domine son adversaire de bout en bout, Sedina. Oui, c'est une domination sans passage, comme tu viens de l'indiquer, parce on se rend compte que c'est un match à sens unique, en tout cas pour le moment. Euh, euh, le pétrole de Luanda ne laisse aucun répit, aussi bien en attaque qu'en défense à ces jours de, de la police. Donc, euh, on, part sur les bases, en tout cas, sur le point de vue de la domination et du score, sur les bases du match d'hier entre Monastir et l'équipe de la gendarmerie nationale basket club. Euh, on part sur les mêmes euh, références pratiquement parce que cette domination-là, elle est sans partage et, c'est une domination qui, on a l'impression, euh, ne faiblit pas. C'est de la première seconde jusqu'à la dernière seconde de ce premier quart-temps et si ça continue comme ça, l'équipe de Petro Luanda risque de marcher facilement sur cette équipe de la Police. Tout à fait, c'est de toute façon, les Angolais sont reconnus comme des gens qui n'ont jamais pitié de leurs adversaires. S'ils peuvent vous donner 200 à 2, ils le feront. Et ils sont été comme ça depuis toujours, euh, dans toutes les compétitions, nous les avons rencontrés. Euh, c'est sans merci, il n'y a pas de <laughs> compassion, il faut gagner. Par contre, je suis surpris que le coach du Pétrole Londa laisse jouer autant de temps Carlos Moraes avec le score qu'ils ont. Il a joué tout le premier carton. Euh, pourtant, c'est une compétition qui va se dérouler pendant quand même assez longtemps. Je suis un peu surpris par, euh, euh, par cette décision. Je, pense qu'au vu de ce premier quart carton, si le second quart carton risque de se passer comme ça, à la mi-temps, à la mi tous les jours clés de cette équipe de Petro Luanda seront déjà au repos. Parce que déjà, ils ont un matelas confortable au bout d'un quart carton. Si le score et le rythme ne faiblit pas. Je pense qu'après la mi-temps ou au bout de la moitié du troisième quart-temps, ils pourront tous euh, être au repos. on, tous les jours on revient en direct. Le deuxième quart-temps démarre maintenant et on se reparle tout à l'heure, Céline Ok, à tout à l'heure. 15 rebonds face à 6 pour la S-Police. On a vu, c'était catastrophique. Ce qui est pas mal, je vais vous dire, hein, c'est parfois quand vous avez un, un mauvais carton comme ça, c'est que vous pouvez vraiment raser tout et vous dire écoutez, on repart à zéro presque à zéro parce qu'il y avait un point de retard. <laughs> presque à ah, zéro. Presque à zéro. Allez, un oui, euh, premier premier tireur round et out, le ballon qui fait le tour du cercle avant de, ressortir et la Police qui récupère la possession avec euh, Ibrahima. Voilà. Et voilà. Ibrahima Aïdara. Le panier et le lancer bonus peut-être. Regardez, la petite hésitation, il va jusqu'au bout. 28 ans désormais de mettre 0 donné à Bamako. L'occasion pour lui de signer une, séquence à, à 3 points.